l'avez dit, j'étais là pour l'adoption du budget du ministère de l'économie numérique et des télécommunications, euh, avec un budget et programme euh, qui comportait trois programmes, le programme des télécommunications, mais le programme aussi de l'économie numérique et le programme postal. Alors, 17 milliards, euh, si vous le comparez au budget de l'année dernière, oui. Mais il y avait une autre euh, un autre département qui était la communication, qui était rattaché au ministère. Euh, cette année, ce département est allé au ministère de la Culture, d'où la baisse du budget à hauteur de 37 euh, Par contre, ce qui importe, c'est que les programmes aujourd'hui qui sont ficelés puissent être financés à cette hauteur. Et il faut aussi prendre en considération que au cours de la mise en œuvre effectivement de ces programmes, euh, des LFR peuvent être euh, adoptés et le budget continue. Nous avons aussi d'autres sources de financement qui pourraient venir des partenaires, ainsi de suite. Euh, dans tous les cas, ce qui importe, c'est les résultats en fonction du budget qu'on a et des programmes que nous avons élaboré pour eh, la période. Oui, oh, les difficultés euh, de la poste sont connues. Euh, ce qui importe, c'est cette prise de conscience que l'entreprise ou la société est la poste a des difficultés. Ce qui importe, euh, c'est de euh, savoir, ou en tout cas d'avoir des processus pour corriger ou en tout cas solutionner ces, difficultés. Je vais en venir. Et euh, nous avons aujourd'hui la mise en place d'une commission chargée de réfléchir sur la structuration euh, de la poste. Et aujourd'hui, au niveau des dettes dont on parle, je pense qu'il y a une convention qui porte sur les dettes croisées qui a été signé entre la Poste et l'État du Sénégal. Nous avons aussi une autre convention qui porte sur les, euh, sur les euh, l'appelle encore, sur la compensation financière. Vous le savez, c'est à travers la BCAO que tout se passe via le Trésor. Et aujourd'hui, ce qu'il faut saluer, c'est que c'est la Poste Finance qui assure la compensation euh, contrairement à ce qui se passait. Donc c'est des, solutions qui commencent à, arriver. Maintenant, pour ce qui concerne la bancarisation, effectivement, le choix a été fait de faire de Poste Finance, qui est quand même un des démembrement de la Poste, de faire, une banque. Le ministre des Finances l'a dit tout à l'heure, euh, la Poste bénéficie et en entreprise, c'est quelque chose de très bien, de l'histoire. était là avant tout le monde. La Poste bénéficie aussi d'un vaste réseau de 300 points hein, qui pourraient aider, je pense, euh, les institutions euh, de l'État qui sont dans les structures bancaires. Et euh, donc dans la distribution, la Poste détient des avantages comparatifs qu'elle pourrait, pourrait utiliser pour faire en sorte que la restructuration aille vite, mais qu'elle soit plus compétitive. Et c'est ça le challenge, parce qu'aujourd'hui, le secteur, dans le secteur, il n'y a pas que la poste, la distribution. C'est vrai que le corps de métier de la poste, c'est de distribuer du courrier, mais aujourd'hui, la poste a bien diversifié ses, activités. Et ça, c'était même une question, quels sont les produits Il y a plusieurs produits que la poste a aujourd'hui. Ce qu'il faut, je pense, et je le répète, c'est de faire le saut de la qualité. Et c'est ça qui est important. Ce qu'il faut, c'est quoi À travers la qualité, assurée et la compétitivité et se placer toujours devant. Voilà, maintenant il y a... La... Madame, la de la gestion est décriée avec une masse salariale jugée colossale. À ce niveau est-ce qu'il n'y a pas... Tout ça est sur la table. Est-ce que vous pouvez revenir sur euh, Tout ça est sur la table. Ce qui importe, je pense, c'est de voir les pas qui sont faits par l'État. Et cette commission est là, elle n'a pas fini son travail. Donc attendons que la commission finisse son travail. Maintenant, euh, euh, je, attendez qu'on l'évalue, évalue, la masse salariale. Mais tout ce dont je peux vous dire, c'est que le processus est en cours. Faites confiance à l'État. Nous allons accélérer le processus. Il faudrait qu'on arrive au bout, ou en tout cas au milieu, pour pouvoir communiquer sur ce qui est en train d'être fait. en attendant, vous savez, ce besoin, il est là, il existe il faut le satisfaire, il faut faire en sorte que la poste soit compétitive, il faut faire en sorte que la poste soit devant. Et ça, c'est euh, l'œuvre de toutes les parties prenantes euh, à la gestion de la poste, que sont le ministère, euh, le ministère des Finances, le ministère de tutelle, l'État dans son ensemble. Madame la ministre, vous faites, vous faites, référence à la compétitivité et à la qualité du service. Aujourd'hui, la gestion de la Sonatelle est décriée par rapport au dysfonctionnement du réseau. Qu'en est-il D'abord, je voudrais faire une précision. Il y a plusieurs opérateurs, encore une fois, mais nous connaissons mieux la Sonatel. Donc c'est notre opérateur historique qui est là. Le problème du réseau est un problème général. Ces opérateurs, avant de, euh, se déployer sur le terrain, euh, signent une convention, obtiennent des licences ou des autorisations et ont des cahiers de charges. Ce sont les cahiers de charges qui prennent en considération le, réseau. Tous ces opérateurs, pour la plupart, doivent couvrir le réseau dans son, le, pays dans son ensemble. Maintenant, ils ont, il faut reconnaître que les cahiers de charges ne sont pas respectés et l'ARTP est là-dessus. Une mission a été effectuée par le directeur de la, de la accompagné de ses services. Et il a sionné, je pense qu'il continue, ils sont, déjà, ils sont encore sur le terrain pour voir, faire un diagnostic. Mais ce qui est ressorti, euh, c'est que le réseau n'est pas bon. Maintenant, il va falloir mieux situer les responsables, mieux évaluer la qualité du réseau et après faire appliquer les cahiers de charges. Et sur les redevances euh, Vous savez, dans cette euh, bataille ou dans euh, ce malentendu, parce qu'il s'agit d'un mental malentendu, euh, ce problème de redevance est régi par un décret qui date de 2005 et qui a pris en considération uniquement le domaine public. C'est très clair au niveau de la dette. Tandis qu'au niveau du domaine national, bon, il y a les infrastructures, mais il n'y a pas de tarification. Donc ce qui se passe, c'est quoi C'est que les tarifs fixés dans le décret sont jugés dérisoires. Et moi, je le confirme, euh, ces tarifs ne sont pas. Mais ça date de 2005. Entre-temps, il y a eu beaucoup d'évolutions. Et aujourd'hui, le toilettage de ces textes s'impose. Nous avons mis en place une commission qui était là d'ailleurs depuis quelques mois, euh, il y avait eu un arrêt ou une suspension. Hier, une réunion a été tenue dans ce sens, dans les locaux de mon département, pour discuter avec l'ensemble des parties prenantes, que sont l'association des maires, hein, le ministère des Finances, le ministère des collectivités territoriales, mais aussi le ministère de l'Environnement et d'autres ministères, plus les opérateurs privés qui étaient là, mais aussi l'association des maires, je l'ai dit tantôt. Alors, vous voyez toutes ces parties prenantes à la décision, vont discuter. Il y a une, la prochaine réunion est prévue, je pense, le 5 ou le 7 janvier pour continuer. Nous avons demandé à avoir la liste des collectivités territoriales qui ont des problèmes. L'idée, c'est de positiver et de, de, savoir, je pense, ou d'accepter que les textes sont faits par les hommes et que c'est aux hommes de les adapter au contexte chaque fois que de besoin. Alors, ce décret est en train d'être toiletté. Euh, l'avons envoyé, le projet d'ailleurs on l'a fait, mais il va falloir que toutes ces parties contribuent et qu'on trouve le juste milieu, c'est-à-dire que ça soit du win-win, que les collectivités territoriales puissent gagner de l'argent, mais aussi que les entreprises euh, puissent aussi euh, avoir des taux, euh, qui, des qui vont satisfaire en tout cas leur comptabilité, de manière à ce qu'il y ait une rentabilité. Ça ne sert à rien de renchérir les coûts parce qu'une partie veut prendre plus. Je pense que si on arrive à trouver le juste milieu, et je crois qu'on va le trouver, euh, le problème sera réglé. Mmh waaw d'abord je euh, suis sant yàlla rek bi nga ne que en ma qualité de ministre de euh, l'économie numérique et des télécommunications nous avons fait ci assemblée ndaw euh, pour présenter le budget pour nous voter ko wax plus de 17 milliards nous avons am 2019 mu jël ñetti programme yu nga euh, bi ci jëkk mooy télécommunication beneen bi économie numérique la beneen bi mooy euh, la poste ñoom la moom la boole euh, loolu nag dafa bari loo xam ne dafa ci nekk waaye dama bëggoon ngeen xam ne xarala yooyu bi ñuy wax xarala boobu dafa am importance dafa am vraiment importance ci li nga xam ne moom suñu sayt li ñuy saytoo suñu réew ak li nga xam ne tey jii président de la république moom la teg ne moy sénégal plan Sénégal émergent ci PAP 2 bi dafa am mom liñuy ñuy wax euh, initiative am yooyu daf ko jël def ko troisième initiative ne lepp lu nga xamné que né ñi ngi koy def moy transformer il faut que tay ji ñu jël ci numérique bi suñu bëggé wañi suñu facture facture état bi suñu bëggé dindi aussi liñuy wax fracture moy jël li nga xamné mo moo nekk ci gox-goxaat yi yépp ñu accéder fa numérique.

muy lan la wund mooy téeméeri procédure par at tey ji ADIE mi ngi liggéey ci loolu am na yoo bari yu nga xam ne que ne ay taxe la ay ay euh, ay euh, ma ngi mel ni li ñuy wax état civil les consulaires liggéey nañ ci lu mel ni affaire impôt ñi ngi ci donc euh, bari na yoo xam ne ñi ngi koy def di ko def ak le ministère de la justice ak ñeneen defe nañ ne daal bu ñu yeggee ci loolu loolu yëpp dana dana bari lu ci dañ parce que yooyu yëpp bu dajee day indi économie day dindi état yu bari yu mu doon fay dafay wàññeeku te loolu bu ko defee daf koy dugalaat ci yeneen secteur kon numérique lu am njëriñ la ci politique bu président de la république ah. waaw waaw moom poste moom dama xam ne rek yéen post ngeen xam euh, donc dama gis sax ne affection dafa am ci poste waaye lu baax la ça veut dire quoi ça veut dire que yéen a ngi xool euh, yëf yi nu muy demee wax ngeen dëgg post am na jafe-jafe Eh, jafe-jafe yi nag du lu nit mënul saafara état xam na bu baax ne poste dafa am jafe-jafe ci jafe-jafe yooyu nag bi mu ko xamee dafa ne xaaral nag léegi ma teg benn lo kii bu nga xam ne comité commission bu nga xam ne ñi nga xam ne ñoo war a saafara wala daal ñooy joxe solution yi dañ ciy bokk di waxtaan ñu xool naka la ñuy soppalee definu poste ñu am poste bu bees waaye xam nga euh, changé

ndax poste dafa am euh, yeneen concurrent yoo xam ne ñu ngi fi mën nañu 15 yii def li poste def waaye poste dafa am lu ñooñu amul mooy lan dafa ànd ak euh, histoire dafay njëkk euh, ba pare njëkk histoire dafa compter bu baax ci entreprise ba pare mu amaat leneen lu nga xam ne mooy dafa nekk ci territoire bi yëpp am na ñetti téeméeru point ak ay bureau yoo xam ne post ko moom xam nga loolu dafa am solo donc ci loolu du yem rek ci métier bi mu amoon dafay garder métier bi ba pare mu gën ko dooleel mooy dindi def ci qualité et utiliser même les nouvelles technologies wax nañ ko nga xam ne que ne xarala yu bees yi ñuy wax ay digitalisation il faut que poste di ko utiliser am na sax fu koy utiliser et ba nga xam ne dafay am mieux que ça mais dafay romb loolu maanaam dafay dem nag ci compétitivité euh, boo déggee compétitivité mooy li ngay dugal dafay ñëw jur dara